Le charbon minéral est un charbon qu'on extrait du sous-sol. C'est un charbon qu'on peut toutefois euh, faire les préparations avec les grillades, etc. Il y a une très grande différence entre le charbon minéral et le charbon de bois, puisque le charbon minéral, le foyer là que je te montrais, c'est un foyer multimarmite. Ça prend de numéro 1 jusqu'à numéro 5. Voilà pourquoi on l'appelle foyer multimarmite. Il prend 2,5 kg de charbon. Avec le 2,5 kg de charbon là que tu vas mettre, ça va durer 6 heures de temps, 6 heures à 8 8 heures de temps. Il y a une très grande différence. Et puis, il dégage une substance calorifique très, très, très élevée par rapport au charbon du bois. Les gens utilisent le charbon minéral puisque maintenant, les, gens ont commencé à comprendre qu'on peut même faire la grillade de la tabaski avec le charbon minéral. Nous, on veut que les gens utilisent le charbon minéral au moins pour conserver notre euh, environnement. Surtout, un sac de 40 kg peut griller trois moutons.